14 novembre 2023, auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu, bonsoir et bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. Moi, c'est Fanta Chamsu et ce matin, je suis en compagnie de Habiba Ahmed. Bonjour Habiba, comment tu vas Je vais bien, Fanta. On n'oublie pas de faire coucou à l'équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit de Rahilot Soumana et Adam à l'édition. La technique est assurée par Issa Lawoli. Alors Fanta, quel est le programme du jour Nous allons débuter avec le flash d'information suivi de la rubrique hebdomadaire sur la santé. Après interviendront la page sport, le portrait du jour et la chronique Lotti. Dans la partie éco des régions, nous allons faire un tour à Dogondouti, région de Dosso, où le reportage sera consacré au texte qui encadre les infractions sur les réseaux sociaux. Et qu'en est-il de l'entretien d'aujourd'hui Dans la partie entretien de cette émission, nous aurons un aperçu sur la situation de la stratégie de scolarisation accélérée ou passerelle SSAP dans le département de Koni. Et ça sera avec M. Amadou Kané, inspecteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Et pour te compléter, il y aura de la musique 100% locale, consommant nigérien. C'est parti. Chers auditeurs, voici les flash présentés ce matin par Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Habiba, bonjour Fanta. Bonjour Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, a été reçu hier à Niamey par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdurrahman Chani, en exil hors du continent africain depuis cinq ans pour des problèmes politico-judiciaires dans son pays. Guillaume Soro s'est réjoui de l'attention et la considération des autorités nigériennes à son égard, ce qu'il considère comme le premier pas vers son retour dans son pays natal. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre est sous le coup d'une condamnation à la préputée. Selon lui, je cite, après cinq années hors du continent africain, il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre au moment où le gouvernement prétendument démocratiquement élu refuse de me recevoir. Fin de citation. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Hajousman, a visité hier le magasin de la Direction générale de la protection des végétaux de Soraï, un magasin devant réceptionner et conserver les produits destinés à l'agriculture. Au terme de sa visite, le ministre a confirmé que ces produits sont effectivement frelatés, donc non conformes avec des bidons dont certains sont venus à moitié scellés, non scellés et d'autres qui sont pratiquement vides. Il précise que le magasin n'est pas du tout bien entretenu et contient des produits aussi dangereux et mal entretenus. Cette situation, selon le ministre, impactera l'économie du pays, dont la majeure partie est basée sur l'agriculture. Des dispositions seront prises très rapidement pour sauver les produits conformes, les ranger, les transvaser et les conserver, a-t-il conclu. Enfin, aujourd'hui 14 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète avec comme thème accès aux soins du diabète. Au Niger, la prévalence de la maladie est estimée à plus de 2% selon le ministre de la Santé publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi. Le diabète multiplie par 3 le risque d'accident cardiaque ou cérébral, par 8 le risque d'amputation des membres et par 9 celui de dialyse. Plusieurs interventions sont mises en place pour la prévention et la prise en charge du diabète au niveau des formations sanitaires, a-t-il indiqué. C'est la fin de ce flash d'information. Merci beaucoup, Nafissa. Chers auditeurs, comme annoncé, M. Amadou Kani, inspecteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle du département de Birning-Koni, nous donnera un aperçu sur la situation de la SSAP, stratégie de scolarisation accélérée ou passerelle du département, et c'est dans la partie entretien. Mais avant de l'écouter, faisons un premier tour musical avec Mougou Magani de Alijibou. Thank you. Doctor beau est un trésor national du Niger. Sa musique a joué un rôle majeur dans l'épanouissement de la culture nigérienne. À lui rendant hommage, nous célébrons cet artiste dont la musique continuera d'illuminer nos vies et de façonner l'âme du Niger pour les générations à venir. Son engagement envers l'art et son dévouement à préserver les traditions tout en explorant de nouveaux horizons font de lui un pilier inestimable de la scène musicale nigérienne. Chers auditeurs, c'était Mougou Magani de Alijibo. À présent, voici la première partie de l'entretien du jour. Monsieur Amadou Kane nous explique ce qu'est une classe passerelle et comment y accéder. Il est interrogé par Fanta Chamsou. Écoutons. Alors, euh, monsieur l'inspecteur, qu'est-ce qu'est la SSAP Oui, merci. La SSAP, c'est un modèle alternatif euh, d'éducation non formelle qu'on appelle passerelle type 1. Donc, il s'agit des enfants qui ont été exclus de l'école précocement ou ceux qui n'ont jamais été à l'école, âgés de 9 à 12 ans. Donc, ils sont mis dans un centre eh, de formation donc pour une durée de 9 mois. Et à la fin de ces 9 mois, on fait une évaluation. Tous ceux qui ont une moyenne au-delà de 5, ils sont transférés au CE2. Ceux qui ont de 3,50 et plus, ils vont au CE1. Donc c'est un système où il n'y a pas de redoublement. Donc ça veut dire qu'on les transfère au système formel à la rentrée prochaine. Et comment vous recrutez ces élèves Ces apprenants sont recrutés par la communauté. Il y a une mission de mobilisation sociale qui se rend au niveau des communautés. Elle discute, elle explique ce modèle alternatif parce qu'il vient combler le problème de scolarisation. C'est à partir de ça qu'un comité de gestion donc, est mis en place et c'est ce comité de gestion de la structure qui recrute donc les apprenants en collaboration avec euh, les parents. Il s'agit vraiment de s'assurer que l'enfant là qu'on donne va rester dans le système toute l'année parce que euh, ne sert à rien euh, d'enrôler un nombre important d'apprenants et au fur et à mesure qu'on avance que les gens arrêtent la formation. Et qu'en est-il de la situation de la jeune fille dans ce système Dès le recrutement, en fait, euh, nous expliquons à la communauté l'idéal, c'est d'avoir une parité. Les centres euh, donc euh, doivent recruter chacun 30 apprenants, 15 filles et 15 garçons. Bon, connaissant un peu souvent certaines difficultés, cette parité n'est pas respectée. Mais l'idéal, c'est en parité qu'on recrute. Et quelles sont les difficultés, s'il y en a, de ces systèmes euh, La difficulté de ces systèmes, souvent, c'est le contrôle des âges au niveau de l'enrôlement. Souvent, les parents, soucieux d'avoir leur enfant dans le système, ils ne respectent pas l'âge. On peut amener un enfant qui dépasse les 12 ans, alors que nous, c'est de 9 à 12 ans qu'on doit recruter. Chemin faisant, même s'il retourne dans le système formel, à partir donc du BPC, il peut avoir un problème son âge étant dépassé, il peut ne pas être orienté. Mhm. Donc c'est un peu ce genre de difficultés qu'on a, mais aussi dans les villages environnants de Kony, les villages qui sont au niveau des périmètres, il y a une période de récolte mhm. des oignons. Vraiment, c'est un casse-tête. Vous allez voir, souvent les apprenants, les parents les prennent pour aller prendre quelque chose au niveau donc euh, de la récolte. Mhm. Là, il y a une pression sur le temps du, centre. Comment se fait la formation Est-ce que vous avez une rentrée annuelle C'est comme le système formel. Les gens, je disais qu'ils doivent faire neuf mois. Les neuf mois là, c'est d'octobre à juin. On fait toutes les préparations avant le mois d'octobre et au mois d'octobre, ils rentrent avec les autres enfants de l'école euh, classique. Et euh, est-ce que vous avez des partenaires qui vous assistent Depuis un certain temps, c'est l'État en tout cas qui fait cette offre éducative parce que l'État a vu qu'il y a une contribution notoire de la passerelle à la résolution des problèmes de scolarisation au Niger. Pour la seule année 2022, 83 000 enfants ont été transférés au système formel à partir de la passerelle. les 83 000, c'est à l'échelle nationale. Mais nous, à Kony, eh, rien qu'en 2023, on a transféré 475 apprenant de l'extrême formel à la rentrée d'octobre. Ici, le principal partenaire qu'on peut citer, c'est le projet LIRE, qui a ouvert en 2022-2023 18 centres dans le département de Kony. C'est eux qu'on a évalué. Et de 18 centres-là, on a en tout cas eu 475 qui auraient gagné le formel. Avant de continuer cet entretien, faisons un tour à Agadez pour inviter le guitariste Rissa Wanarli, du groupe Atrenasouf qui justement livrait un message aux parents d'élèves à travers ce titre Terre qui signifie littéralement en français éducation. Sao Naglé, à travers sa chanson, appelle les parents à ne pas laisser les enfants errer seuls dans les rues, sans éducation, car on a des bonnes écoles au Niger, qu'elles soient occidentales ou coralliques. Il ajoute que l'école est le seul moyen qui garantit l'avenir d'un enfant. dia raio. nasnasan Nagkaranagananasan Nagkaranagananasan après cette belle sonorité, et maintenant, chers auditeurs, suivons la deuxième partie de notre interview sur les classes passerelles. L'inspecteur Amadou Kane parle cette fois-ci des besoins, mais aussi de l'importance de la stratégie de scolarisation accélérée. Elle contribue aussi à la résolution du problème de la scolarisation au Niger. Bon, et en fait, euh, cette offre éducative, vraiment, elle doit être soutenue par les partenaires, par l'État. L'État fait des efforts vraiment dans ce, dans ce d'enseignement. Parce que eh, quand vous voyez un système où on dit en une année, 83 000 enfants ont regagné le formel, vous avez vu vraiment combien de fois cette euh, activité est très rentable. Vous voyez, et elle amène les, parents qui n'ont pas assez de moyens de résoudre le problème de, de de leur enfant. Quand on renvoie un enfant si le parent n'a pas de moyens, il ne peut pas l'amener eh, au privé il n'a pas le moyens. Donc, mais l'État, avec le système-là, c'est une aide communautaire que l'État est en train de faire. Et moi, je pense que avec, euh, euh, si en tout cas on continue avec euh, cette lancée, je pense d'ici peu la contribution même de, la, résolution des problèmes de la scolarisation, vraiment à partir de la passerelle, sera en tout cas très très important. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous avez des success stories, des exemples d'histoires touchantes qui se sont passées dans votre centre que vous voulez partager avec l'auditoire Oui, merci madame. Nous, ce qu'on peut dire comme histoire, ce mm-hmm. c'est qu'on a constaté que les, c'est même pas des, les enfants que nous transférons mm-hmm. à la rentrée, quand ils regagnent le CED, vous allez voir, c'est eux les, les premiers quand on fait le composition dans les, écoles. là. Mm-hmm les exemples, en tout cas, abondent dans beaucoup de centres, on a constaté. Parce qu'on peut expliquer cela, le fait que, comme ils font deux mois de langue avant d'attaquer le français, mhm. ils sont habitués à tous les graphèmes qu'ils vont voir en français. C'est ce qui facilite l'apprentissage du français. Mais sinon, vraiment, les parents veulent la passerelle. Au début, les gens étaient un peu réticents, ils n'avaient pas compris. Mais quand ils ont vu que ces enfants-là, on ne les jette pas, on les amène dès le niveau formel. Aujourd'hui, tu peux avoir des enfants qui, ont, qui sont au CEG, au lycée et, même au niveau de l'université, qui sont des fruits et, euh, de, la... passerelle. Mhm. Et la passerelle, est-ce que ce euh, sont des écoles à part ou bien des classes incluses dans le système formel Et donc, euh, la passerelle, nous au Niger, on fixe les centres au niveau des écoles d'accueil. Ça veut dire qu'on appelle les écoles d'accueil quand on forme, les enfants là seront intégrés à cette école-là, mm-hmm. les classes du formel de cette école. Mm-hmm. Mais ailleurs, les gens ne sont pas obligés de le faire. On peut faire ça dans un quartier. On peut faire dans un quartier et après, on fait la note, après l'évaluation, on les reverse. Mais ici au Niger, on a constaté si on forme les enfants au niveau de l'école, déjà ils sont habitués aux enfants, mm-hmm. ils sont habitués à l'école, donc ils ne sentiront aucun changement quand elle va intégrer le formel. Mhm. C'est ça, c'est pourquoi on dit que ce n'est pas une classe qui appartient à l'école, mais le centre est implanté dans cette école qu'on appelle école d'accueil. Oui, les classes passerelles sont implantées dans les gros villages et dans les quartiers. Mhm. Ça veut dire que quand on prend un village à Dibissou, par exemple, quand on crée le centre, d'abord on fait la mobilisation pour s'assurer pour savoir si la population, en tout cas, adhère à la démarche. Et c'est en cela qu'on fait le recrutement. Et on implante le centre-là dans le village. C'est toujours les enfants de ces villages qui fréquentent les centre. Mais s'il y a un aux alentours où il y, a, des enfants de cet âge, on les accepte dans le centre. Et à ce jour, vous avez combien de classes passerelles dans le département de Cogny Pour la cette rentrée 2023-2024, euh, nous avons 10 centres qui sont opérationnels, qui ont en tout cas 345 euh, inscrits, dont 127 euh, filles. Vous voyez ici, la parité n'a pas un peu, n'a pas été respectée parce que c'est pour les problèmes que j'ai cités euh, tout à l'heure. Il y a le problème du petit commerce, il y a le mariage précoce, il y a aussi cette attitude des parents souvent à vouloir envoyer les enfants garçons dans le système éducatif que les filles. Il y a en tout cas ces paramètres-là qui, qui entrent en jeu. Mais ce n'est pas encore fini par rapport au 10. On, vient d'avoir en tout cas une correspondance parce qu'il y a un partenaire qui appuie le système. Bon, maintenant, et, en tout cas, l'État, comme déjà, il y a des enseignants qui sont formés, il y a, on a un certain nombre de bâches, c'est-à-dire où les enfants peuvent rentrer et faire le cours. Nous sommes en tout cas en train de voir comment ouvrir aussi une, une dizaine encore d'autres pastels très rapidement pour euh, en tout cas arroler des enfants. Déjà, on est à la période d'arrolement. Maintenant, on va voir est-ce que le règlement est effectif partout à les courtes prévues. Et là, on passe, on ouvre les, les centres. Et donc, vraiment, l'appel que, que, je dois faire, c'est vraiment de demander le soutien. Le soutien des parents, des acteurs, en tout cas de tous les autres partenaires de l'État. L'État a compris, il faut le faire. Et rien que cette expérience qu'on veut faire euh, dans les jours à venir, en tout cas, c'est, elle est prometteuse parce que on va réduire vraiment le problème de scolarisation dans ce département. Mieux, madame, je crois que je dois avouer qu'il y a un autre modèle de passerelle pour le Niger, le Mali, le Burkina. C'est-à-dire c'est la SSAP à visée scolaire. On prend des enfants de 9 maintenant cette fois-ci à 15 ans et ils font 2 ans. Et bon, à la première année, on fait une première évaluation. Tous ceux qui sont entre 9 et 12 ans qui ont la bonne moyenne, on les amène au, au CE2. Maintenant, ceux qui dépassent les 12 ans, ceux qui, 13, 14, 15 ans là, on les maintient. Ils vont faire une deuxième année et à la fin on évalue et on les reverse directement au CEJ. Donc les, les pays là sont sur cette expérience. Nous sommes à la deuxième année. Aujourd'hui, nous avons deux villages qui sont concernés. Il y a Dubusu ici à 5 km de Koni et d'Agarka ici qui est à la sortie où nous avons en tout cas euh, deux cours de chaque village et les enfants sont en train de, faire le cours. Le curriculum, c'est en fait un condensé du, du SEM1 et du SEM2 donc, c'est ça qui est en train d'être enseigné. Et quand on fait l'évaluation, les meilleurs là, quand on dit qu'ils ont la moine ils seront aussi égés comme les autres élèves du CMD. Voilà, c'était une interview qui nous a accordé M. Amadou Kani inspecteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle du département de Birni-Koni, région de Tawa. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Aujourd'hui, dans notre rubrique santé, nous restons à Tawa pour évoquer les avantages de la consultation prénatale. Car il est recommandé à la femme enceinte de faire au moins trois consultations prénatales pendant sa grossesse à partir du premier mois. Cela pourrait lui éviter des complications liées à la grossesse jusqu'à l'accouchement. Pour en savoir plus sur le sujet, écoutons Madame Nuhu Ousseina, sage-femme responsable du centre de santé intégré Garkawa de Tawa. Consultation prénatale récentrée. shine awon ciki wanda mata da zawa in ka ɗauki juna biyu a wata uku ake fara aka fara duk wata wata wata ake zawa da ana baka wata biyu wata uku wata guda ka dawo to yanzu sabon tsari dai hito kullum duk wata ne ake ba mace rendezvous ta dawo awo kuna samun mata da yawa masu juna masu zowa likitan ku a ah, masha Allah alhamdulillah suna zawa kwanakin nan ne dai lokacin zuwa daji ba su zawa ko da yaushe tunda suna daji me akwai wasu ko suna daji suna zawa awo in lokacin awon su yayi me yanzu alhamdulillah kullum suna zawa awo su yi awo kuma su koma kame a suwa ba daji ne suke da zama ba lokacin yin aikin daji ne fara suke suwa su koma ci in aikin daji ya kare su dawo duka kuma sai an yi wata tara kuma a lokacin ruwa kuma sai su koma muna iya musan adadin mata masu juna masu zuwa likitan ga taku ga wuni ko ga sati ko ga wata wata rana wani wata muna samu har sabi haka wanda ba su taba zawa awo ba ko sabon awo muna samu har mace ɗari ɗari da bet wanga wata ma da mun ka yi rapor mace ɗari da biyar mun samu sabuwa wadda ta zo sabon ciki zuwa wata uku zuwa hudu sabon awo me ya aka ɗauka duka duka muna samun wata rana wajen har biyu ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da ishirin ɗari biyu da wata. Wani aiki kuka yi da mata suke zuwa cikin likitar ga taku? Muna waye musu kanu suka zo ra'atanin a muna hira da su ranar ba akwai hira da ake yi da su rashin ma akwai hira da ake yi da su kuma daga nan muna ce musu mata makwabtansu masu ciki su rika gaya musu ga abun da ake yi kuma duk mace da ta zo awon ware muka ida mata awo muna ba ta gidan sange insha Allah dai bamu da matsala bisa wannan matan mu nan ga suna zawa awo muna son ku katamta da shekarun da suka wuce da bana wani fi zuwan mata a ah, masha Allah bana ya hi zawa duk shekara sai an samu ci gaba tun da gari ne ke kara aihuwa ce ake kara yara na tashi suna armi kinan kinga ga shifir na kara wanga wata shifir ya kara bisa wancan wata wani irin amfani mate mai ciki za ta samu tana zuwa awon ciki avantage kin shi menene consultation prenatal ka zaka ai mata ka gudane gudane a dibi lahiye shikinka a yi awon hitsari a yi awon jini yanzu gwamnati ya kawo awon wancan na jini na vv ciyan sanyi da rubuta muke yi mu ba mata su su biyar su yi to yanzu gwamnati ya kashi banza ake yin shi dukkan mace tana benefise duk wadda ta zo au tana benefise da shi wadda ba ta da ma muna yi mata dama menene matsala mata ya aka ba su takardar ɗiban jini suka kai ma mazajen su ba su ba su kuɗi su sai ki ga mace ba ta dawowa au sai lokaci ya wuce ki tambayoyi ta ce ba a ba ta kuɗin ɗiban jini ba ɗiban jini ba matsala ne muke ci mu su zo au nan muke ɗiban cuta su zo da ya awo ko ba su yi ɗiban jini ba don saboda rashin ɗiban jini ba ka zawa au to kun gani ma masha Allah yanzu aiki ya rage muna yin ɗiban jinin cutar sida shi dama kun san da shi gwamnati tun yaushe kashi yanzu kuma na ciwon sanyi ba a biya na ake yin shi wanda babu ne ake ba su yi kuma suna yiwa waɗanda adda suna yiwa wanda ba su da kuma mu yi ta shan hankalinsu da wance kame awo ya ida ki samu ki ɗiban shi ga saboda mu ga lahiya ki kamin ki ta aihuwa kenan in mun ka ga jini ya rage miki can ko da za ki ta yi a matan ta sashi fam likitoci sun sa abin da za su yi miki kamin aihuwa kuma muna rufe ran mace in muka ga jini ya yi kaɗanci in muka ga tansiyon ta yi ilifi muna raife kan suna ga maternity ta sigi akwai doktor akwai gynecologue can yana kula da su ku fada mana wani irin matsaloli da mace mai ciki za ta fuskanta in dai ba ta zuwa awon ciki wallahi ana samun matsala mace wadda ba ta yi awo ba tunda mace wadda ba ta yi awo ba ciki ba a yi sivirkin shi ba kenan ba ta yi gudane gudanen jini ba a gani ga diabetes kin ga yanzu diabetes surgrosis ana samu da tension kin gani mace wadda bata yi awo ba tun daga kwarin ba na ɗauki example na sida mace CLA sero positive ta zo CPN da wuri ba ta san istatu ba kenan in ta zo CPN da wuri aka san istatu an sa ta su antiretroviral sai ta yi dan bai samu wannan cuta ta sida mai in ba a san istatu ki ba ki ta yi aihuwa kenan kin sha ma ɗanki matsala dan dan deja ile kwantamini C'était la rubrique hebdomadaire santé de ce mardi 17 octobre 2023 sur des propos recueillis par Habiba Ahmed. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou à travers les ondes de nos radios partenaires. Partons encore à musique avec les titres Karamota de Hassan Garba. I abiti karo mota ka chers auditeurs, vous êtes à l'écoute du son mota de Hassan Garba, qui était un fonctionnaire d'État, mais la musique a pris le dessus avec le mythique orchestre carnaval de Maradi qui l'a dirigé. Fait Hassan Garba, une figure emblématique de la musique nigérienne à la tête de l'orchestre carnaval, a connu la gloire et a porté haut le flambeau de la musique nigérienne. Karamota est une chanson qui parle des apprentis des chauffeurs dans un rythme reggae. le reportage région de ce matin, nous vous amenons à Dogondouti dans la région de Dosson pour parler du droit à la vie privée, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, Fanta, cette branche des droits fondamentaux de l'homme est mise à rude de preuve à l'ère des réseaux sociaux. Le reportage est signé Hassan Abdou Arzka. Le droit à la vie privée fait partie des droits fondamentaux de l'homme tels que garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Cependant, avec l'avènement des réseaux sociaux, le respect de la vie privée est ignoré par beaucoup d'internautes, même si elle est reconnue par la loi ici au Niger. Monsieur Yaji Sanoussi, membre de l'Association nigérienne de défense des droits de l'homme ANDDH à Dogondouchi, nous en dit plus sur le sujet. Avec euh, le développement des réseaux sociaux, beaucoup de personnes se permettent de diffuser de certaines informations qui relèvent de la question intime d'une personne sans son consentement. Et ça, ça constitue une violation de la vie privée d'une personne. Et d'ailleurs, c'est pour punir ces actes que les autorités nigériennes ont mis en place euh, deux instruments juridiques permettant de mieux réprimer ces infractions-là. Il s'agit D'abord de la loi numéro 2017-28 euh, du 3 mai 2017 relative à la protection des données à caractère personnel. Les autorités nigériennes également ont élaboré une autre loi numéro 2017-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. La cybercriminalité ou l'atteinte à la vie privée des individus à travers les réseaux sociaux tels que WhatsApp, fait Facebook, Telegram est prise en charge et réprimé par la loi nigérienne depuis quelques années. Le directeur départemental adjoint de la police nationale de Dogondouchi, le commissaire Abdelmoumoun Ibrahim Issiakou, explique la teneur de cette loi contre la cybercriminalité au Niger. La loi n'est pas soumise. Déjà depuis 2019, euh, il y a une loi qui porte sur la cybercriminalité. Cette loi elle a été modifiée par la loi 2022-30 du 23 juin 2022, la répression c'est la cybercriminalité. Cette infraction implique l'ensemble des infractions commises par les moyens des télécommunications ou bien par un système d'information quelconque. Les gens utilisent ces moyens pour s'attaquer à des personnes. Ils courent de peine. Vous voyez, c'est fréquent. Vous allez trouver que la personne, dès qu'elle a un audio, ou une image ou bien une vidéo, elle va envoyer sans chercher à comprendre la source. Monsieur Yaji Sanoussi de l'ANDDH et Abdelmoumoun Ibrahim Siakou de la police nationale estiment qu'il est nécessaire que l'autorité chargée de la régulation des médias sociaux veille au respect strict de la vie privée d'autrui sur la toile et sanctionne les contrevenants. Il n'y a pas assez de plaintes envers des personnes pour que l'opinion publique et l'opinion nationale comprennent que la vie privée vraiment c'est un droit sacré de la personne humaine et on n'a pas le droit de la violer. Donc il faut que ça ait des suites judiciaires. J'attire l'attention des gens vraiment sur euh, la présence. Et si la personne est convoquée, le juge peut prononcer des peines complémentaires puisqu'il peut décider de confisquer, de prononcer la confiscation du matériel ou bien des équipements que la personne a utilisés ou bien des installations. Par la même occasion, le juge aussi, il peut décider, par exemple, un message ou un périodique, il peut décider d'interdire l'émission Aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent encore l'existence de cette législation qui réprime la cybercriminalité ou l'atteinte à la vie privée par le moyen des réseaux sociaux. Toutefois, les auteurs d'infractions pourraient être sanctionnés puisque nul n'est censé ignorer la loi. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et tout de suite, la page sport avec notre chroniqueur du jour, Sariu Adam Yerima. Bonjour Adam. Bonjour Fanta. Bonjour Adam. Bonjour Abiba. Alors, nous débutons avec la finale de la Coupe interscolaire de basketball à Zender. Eh bien oui, cette première édition a été placée sous le thème le tournoi de la cohésion entre les scolaires. La finale a opposé l'équipe du lycée Amadou Kourandaga et celle de l'École nationale de santé publique NSP. L'équipe des infirmiers s'est imposée sur le score de 54 à 35. Selon le capitaine du lycée Amadou Kourandaga, Amadou Roufaï, son équipe n'a pas démérité. On le coûte. Euh, une défaite, euh, naturellement, ça fait mal, mais comme c'est mes frères qui ont gagné, bon, <laughs> ça va, ça va, je gère, <laughs> ça va. C'est nous tous qui gagnons, c'est le Niger qui gagne, c'est l'école nigérienne qui gagne, parce que c'est un tournoi qui a été organisé pour les élèves et tout. Donc, euh, c'est nous tous, on a gagné. il y a la chance, il y a, ouais, il y a la force, il y a aussi la chance, mais je ne peux pas dire que l'équipe de NSP est plus forte que l'équipe de LAK du Bon. Pas tellement, mais c'est leur jour de chance. C'est ça le sport aussi. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Alors à présent, écoutant l'entraîneur de l'NSP, Paul Moussa Mamman, Ses poulains se sont bien préparés et il s'est dit satisfait d'avoir remporté la coupe de cette première édition. Je suis fier de mon école, je suis fier de mes joueurs. Ils ont bien assuré parce que c'est notre objectif. Et puis notre objectif est atteint. Vraiment, je suis, je suis très très très content jusqu'au fond du monde. 54 pour ENSP et 35 pour LAKD. On a bien travaillé avec les gars et puis ils ont bien assuré sur le travail. On dit que qui cherche trouve. on a travaillé pour ça. Et puis aujourd'hui, voilà le résultat qu'on avait récolté. Zender était une des régions phares des basketball au Niger, mais depuis quelques décennies, cette discipline sportive est dans une situation de léthargie, eh, eh bien oui, Fanta, d'ailleurs, c'est dans l'optique de faire renaître cette discipline qu'il a été décidé d'organiser ce tournoi, une initiative des anciens basketteurs de la région. Écoutez, écoutons Noureni Issoufou, L'organisateur de ce tournoi, il est au micro de notre correspondant de Zander, M. Ali Keta. Nous avons vu au tout début euh, la motivation de ces jeunes, vu, n'est-ce pas, l'historique et l'importance aussi du basket. Voilà, nous avons jugé utile, n'est-ce pas, de cadrer ces jeunes-là qui sont vraiment motivés euh, pour organiser un tournoi interscolaire première édition. Cela euh, va nous permettre de voir dans quelle mesure nous allons aider nos jeunes frères, comment rehausser un peu euh, leur niveau, rassurer un peu le basket ici à Zander. Adam, venons à présent aux récompenses. Eh bien oui, l'équipe victorieuse de l'UNSP a reçu une coupe et des médailles d'or. Le deuxième, à savoir LAKD, a reçu des médailles en argent. Et parlons à présent de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se passe actuellement en Inde. Eh bien oui, sachez que les équipes africaines font déjà bonne impression. Le Maroc, le Mali et le Sénégal ont tous remporté leur première rencontre. Seul le Burkina Faso a perdu son premier match face à la France sur le score de 3 buts à 0. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour un autre numéro. Merci beaucoup Adam. Les portraits de ce matin nous amènent à la rencontre de Zouera Zenoul Abdina, une femme battante ayant perdu l'usage de ses jambes pendant son enfance. Zouera mandée dans les rues de la ville de Tawa. Aujourd'hui, elle a une activité après une formation qu'elle a eu l'opportunité de faire. Elle s'en sort et arrive à satisfaire ses besoins. sunana Abdina. da tricotage broderi na darori a ina kuka ayyuka mission catholic su suka yi kira mu sun ce ya wannan na bara ba shi ba mu zo su koya mana dumki lokacin da muka zuwa sun koyo na da yawan mu sai su ta kukan su suna baran su an raba su da baran su ba su da abin da za su ce tunda umuti ya saba da baran nan babu abin da za shi riƙe wa'anda dai mun ka tsaya dai an ka koya mu da bakin mu goma mun ka tsaya amma farin muna da yawa shekara nawa kuka yi kuna koyo wasu sun yi shekara biyu wasu sun yi shekara uku ni na ci wannan yin shekara biyu to daga kware wannan da ina daga baya ga akwai da so daga ni kwarawa yanzu kun kai shekara nawa da kuke nan ga wannan aiki gaskiya mun shi ma muna shi muna wannan aiki na dai dumki dai hakan ga da akalla mun shekara goma alhamdulillah akwai unguwani gaskiya ko unguwani gaskiya mun samu tun tunda ko kanka ka kai ma amma muna yi ma muna amsa kuɗi hakan ga ma muna tricotage na mashin shi ba mission daga baya na yi koyan shi amma na hannu mission sun ka koya mana su to lokacin nan ba a yi da mashin amma da shike yanzu ana yi da ta da mashin da mashin na ni yi ina yi da mashin ina yi da hannu amma rori can mun kai koyo wurin su suwa ne ne abokan hulɗar ku suwa ke kawo muku dinki mutanen gari ma suna kawo mana dinki da in kayi dinki wanda ya gani yana kwada ma wani tunda ni alhamdulillah gaskiya tuni ko ta jarirka har ya mai ma ana sa aiko min su kun horar da wasu kuma daga baya ban horar da mutane hakan ga ba sai dai cikinmu wanda lokacin nan muna da atele kana gwada mu wani kana gwada mu wani kan gaskiya abin da shi ba shi iya ba tunda duk cikin mu dai wanda mun kai dumki tare tiri ko ta shi dai dumki na lai ni ɗaya ne faye ma shi mm. ni ɗaya ta ne kayin shi duk cikinmu yanzu haka babu wanda kayin yanzu kuna da wata association ko ta kungiya haka muna da kungiya muna da kungiya lokacin da an kai wuri namu inda muka a tele lokacin da an kai tawasa lokacin da an ka rushe shi to mun ta abin gan su yi mana gina su yi mana gina dai har bisa ila yanzu mu samu gina su ba amma ga yanzu da muke yanzu ka ana nan ana mana gina sai isa tana nan tana mana gina wanda za mu haɗewa wuri guda da in muna wuri guda abin ya haita hiya ya kowa yana gida to wani kalubale ne kuke fuskanta gaskiya muna samun kalubale kan dama misali a ce dumki yanzu wanda zai kama dumki sai ta yayi dumki a yau ɗinki bai yi kyawu ba ko ya abin gashi sai kai a kama gyara na za a kama da suke kawo muku gyaran don mi yana da wani dangantaka da larurar ku dangantaka daga larurar nan tunda ni dai yanzu in an wani yawo ɗumki hannun diba ni ga sabo na an ka gamin gyaran shi ban gyaran shi tunda na san da mutum ai ka san na iya amma sai ka tafi wani wuri sai da an ka yan nan ka gamin gaskiya na yi gyara lokacin amma da baya sai na ga abin da kan na daina in kin an kama to abi ya ya ɓaci nan kai kenan ka iya gyara an san ka iya dunki amma ba a kawo ba kuma abin kalubale har daga sama ya taso me yasa an ci haka yanzu misali akwai kayayyaki a ce ko kora an kai an shera kaya hukumo mayya sai su saka su gani su diba su ce yayi babu mai doka a cikin su babu mai saye ciki amma da a ce in sun diba suna saye ko da su yi kyauta da shi na kenan wani sai ya gani abin ya kayatar da shi kenan su sai dan su su yaba abin yayi amma su ba su sayi kenan matsalar duka na abokanan hulɗa duka abokan hulɗa duka hakanan nan to akwai wani kira da kuke son ku meka to kira ga abokan masu larura baran nan da suka yi mun gaskiya ba mu su ne mun kwambace mutum ya zaka ya yi koya aiki da hannu ne ya hiye mai alheri tunda bara ba shi ayo ba shi gobe ba wata rana ka yana iya shi amma in ka iya aikinka na hannuna ko da aure gare ka kana cikin gida sai a kama aikin in ka yi aikin ka kuma ka hita wurin wani biki hakan ga da kayanka na sana'a sai ka ɗauka ka saida ba tare da ka zo ka kai ma wani larura ba Habiba, prison présent, on passe à la chronique Lotti du jour qui parle des préjugés envers les personnes. Oui, Rekia Arimi et Fanta Chamsou se sont entretenus sur la question des préjugés et le fait d'avoir de jugements hâtifs envers une personne. On écoute. Affairage, affairage, affairage, affairage. Hapsou, Hapsou. Quoi encore Regarde-la dame là. Comment peut-on s'habiller et sortir ainsi On dirait qu'elle n'a pas de parents à la maison. Hmm, et des cinq. Hamsou, tu es sûr ça va Depuis là, je te parle et au lieu de me répondre, tu comptes. D'ailleurs, qu'est-ce que tu comptes même je compte le nombre de fois que tu juges une personne dans la rue, juste en la voyant. Tu ne fais que ça depuis ce matin. Tu juges, tu juges, tu juges. Ça suffit, Mana. Juger Je ne juge pas, Wallahi. J'ai dit juste ce que je vois. Hmm. D'abord, c'était une femme qui rentrait dans un bar. Et juste pour ça, tu l'as traitée de prostituée. tout si elle n'est pas prostituée, qu'est-ce qu'elle va aller faire dans un bar Acheter à manger, par exemple, il y a des bars qui offrent des très bons menus et qui font des très bonnes bouffes. Hey, une bonne femme n'entre pas dans un bar et puis c'est tout. Ensuite, il y a mon collègue que nous venons de rencontrer. Juste parce qu'il porte des locks, tu penses qu'il fume ganja. Hum, hum, hum, Arrête de modifier ce que j'ai dit. qu'est-ce que tu as dit Moi, j'ai dit que s'il ne fume pas ganja, c'est qu'il est fou. Parce que s'il n'était pas fou, est-ce qu'il allait laisser ses cheveux pousser comme ça hmm. C'est justement cela qu'on appelle avoir des préjugés, Kadi. Roger, c'est une très bonne personne. Combien de fois je dois te dire qu'elle n'est pas partagé les mêmes valeurs, la même vision ou les mêmes points de vue que la personne ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Avoir des préjugés, c'est vraiment très mauvais. Préjugés quoi C'est quoi ça encore Toi en train de parler gros français là toujours. Hmm, hmm. Kadi, ce n'est pas gros français. Un préjugé, c'est avoir des idées préconçues, c'est faire des suppositions sur une personne par exemple, sans prendre le temps et le soin de la connaître. En gros, c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Hé, moi je n'ai rien fait de tout ceci. C'est ma nature. Quand je vois une chose, je parle. Pia. Kadi, tu peux parler autant que tu veux. Le seul souci, c'est de juger. Avoir des préjugés, ça t'empêche de voir la beauté qui se cache en chaque être humain. Imagine si on laissait nos préjugés nous dicter comment percevoir le monde. On passerait à côté de tant de merveilles. moi je fais juste partie de ceux qui se fient à leur première impression première impression qui est souvent très fausse. Tu te rappelles la dernière fois que nous sommes allés au marché, tu as mm. juste vu une dame qui t'a regardé et tu as dit qu'elle ressemblait à une sorcière Waymayati, mm-hmm. qu'elle voulait te manger avec ses yeux. Et quand elle s'est approchée, tu allais même fuir si je ne t'avais pas retenu. Mais lorsqu'elle s'est présentée, tu as toi-même compris que c'était juste une cousine à ton mari que tu ne connaissais pas encore. <laughs> Tout c'est vrai. Je me suis trompée. Mais juste cette fois-ci-là. Hey, Kadi! Juste cette fois-ci. Mm, mm, faut avoir peur de Dieu. Hein. Toi, tu te trompes presque tout le temps. Tiens, la petite soeur de ta voisine Zara, que tu traitais de débouchée parce que tu la voyais traîner avec ses amis dans le quartier. Tu jurais qu'elle n'allait pas avoir le bac. Elle l'a eu ou pas Elle l'a eu, wallahi. Et ce n'était pas la seule fois. C'est devenu une habitude pour toi sans même que tu ne t'en rendes compte. Wallahi, c'est vrai. Maintenant que tu me parles, je me rends compte à quel point je suis remplie de préjugés. Mais qu'est-ce que je dois faire pour les éviter C'est très simple, Kadi. Prends le temps de te remettre en question. Tu dois aussi arrêter de faire des jugements hâtifs Apprends à connaître les personnes avant de tirer des conclusions. Chaque petite action compte. Si chacun de nous fait un pas vers la compréhension et l'ouverture d'esprit, nous pouvons changer beaucoup de choses. Wallahi, tu as raison, Hamsou. Je m'y mets tout de suite. C'est juste que parfois, c'est tellement facile de se laisser emporter. C'est tout à fait normal, Kadi. Personne ne dit que c'est facile, mais ça en vaut la peine pour ta propre santé mentale même. merci de m'avoir ouvert les yeux sur ces sujets. Dieu te bénisse. Le mot du jour est grenier. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est l'heure de la culture linguistique avec Asumana China. China, bonjour. Bonjour Fanta, bonjour Habiba. Bonjour China. Vous n'êtes pas des productrices agricoles euh, non, mais j'espère que vous avez vu les greniers. Mais quand même, on a une idée. <laughs> vous venez de Tawa, vous avez vu les greniers dans les champs, n'est-ce pas Bien sûr, bien Voilà, donc aujourd'hui, le mot du jour, comme vous l'avez dit, c'est grenier. Et nous sommes pendant le, période donc, de, récolte au Niger. Donc, grenier, c'est une sorte, euh, je ne sais pas, une construction, on peut dire, euh, qui sert à stocker les céréales, notamment le mil, donc la culture principale du Niger. Et selon les régions, les constructions diffèrent. Selon les régions, et le grenier est construit en banco, donc certaines, dans certaines régions, c'est-à-dire avec euh, de l'argile mélangée à de la paille finement hachée ou entièrement construit en matériaux végétaux. Ça peut être des tiges de mille et autres, euh, autres pailles aussi. Donc, les qui sont, donc la paille là est faite en, en seco ou en paille. Mhm. Elle repose sur un socle surélevé pour éviter le contact avec le sol. Donc, le grenier n'a pas de contact avec le sol. On le dépose sur une sorte de. quelque chose, quoi. Sur, euh, quelques piliers. Quelques piliers, voilà, justement. Mhm. On retrouve donc les greniers aux sorties des villages pour euh, limiter le risque d'incendie domestique ou dans les champs. Mhm. Don euh, idan muka dan dawo de Hausa za e, Zamu zancen wato grenier. Grenier shine ake ce ma rumbu amma wasu wajaje ana ce musu ambuta. Idan ki mhm. ɗauki yankin filinge ko yankin dogon duci ana ce ambuta. amma wajen maraɗi ko zandar ana can rumbu shi dai rumbu ana yin shi ne saboda a adana abincin da aka girba ko hatsi ko dawa ko sauransu kuma ya danganta daga yankuna kamar a wasu wani wurare ana yin su ne da, da laka wadda ake haɗawa da da cawa sai a gina shi wasu wuraren kuma ana yin shi da karan hatsi da kuma wata cawa daban ana ci mata gamba akwai ta da ake ce ma tsaure sai a yi zana sai a haɗa su mhm. da wasu itace da yabgwai da ake yi na kaba sai a haɗa wanda da cewa ambuta ita dai ambuta ana ɗaga ta sama ana sama ta ana aza akan saman wasu itace saboda kar ta haɗu da ƙasa saboda ƙasa tana iya kamata illa mhm. sannan kuma su waɗannan ambutai ko rumbu ana yin su a bakin garuruwa dan nesa saboda kaucewa kamar haɗarurruka na Merci beaucoup China. Pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en français, en Hausa, zermata Tamashek ou fulfuldi. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. wallahi ina sauraron shi da lokaci dai yayi na sauraron kalangu ana yin buzanci ana yin hillanci ana yin hausa ana yin zabarmanci ana yin horon shi walla duk an ga abu sai sun kare duk guda biyar sa anan kashe radio na sa'a shirin sai ban taɓa sauraron shi ba amma shirin marice wannan ba shi bari na duka sai na sauraron su duka da muhawara insha Allah walla kuna waye mutane kai kwarai ni ce mai sauraron radio kalangu shina birge ni duk ina gaida masu journalist inan duka masu abin reportage in radio kalangu da na Hausa da na zabarmanci da na hillanci da na horanshi don zamar man duk ina gaida kowa da kowa kuma ni mai sauraron ku ce ɗari bisa ɗari. Kuna sauraron shirye-shiryen studio Kalangu? Kuna nan ga sauraron su. Wanne shirye-shiryen buge saurare? Shirye-shirye karfe biyar zuwa shida. Mm-hmm. Wani shirin ya ƙayatar da Shirye-shirye suna ƙayatar da mu musamman dai labaru da muka ji. da wanda musai ba muna kawa towa da gare. Kuna ƙaruwa da su kuna samun wayewa? A muna samun wayewa gaskiya. Ina gaida ma'aikata ne na tambara kalangu na gaida ma'aikatansu maza da mata asma da shi na hawo an ji daga nan gatawa chers auditeurs, c'est ainsi que prend fin notre émission Le Niger sur Kalangu. Nous avons adoré passer ces moments en votre compagnie. Au micro, c'était Habiba Ahmed et moi-même Fanta Chamsou. À la technique, c'était Issa Lawoli et Adama Dawaki à l'édition. Ciao, ciao!